Merci de rester fidèle au programme du studio Kalangu. Il est exactement 18h, l'heure du journal en français avec Anne Fissadom. les titres de ce journal. Plusieurs membres du bureau régional MPR Jamhouria de Tilaberi ont retiré leur confiance au président de la dite section Wassal Boukari. C'était hier lors d'une conférence extraordinaire à Tilaberi. Les raisons avec le président par intérim ainsi que la réaction de Wassal Boukari dans ce journal. À Agadez, des individus armés non identifiés ont attaqué hier le véhicule dans lequel se trouvait l'ex-chef d'état-major du MNJ, ex-mouvement de la région d'Agadez, accompagné de trois personnes. Bilan trois personnes blessées. Vous entendrez le témoignage d'une victime blessée. Enfin, le rendez-vous de chaque dimanche soir, la rétrospective de la semaine qui s'achève, c'est à retrouver en partie magazine de ce journal. Bonsoir à tous et à toutes. Le bureau de la coordination régionale du MPR Jamhouria de Tilaberi a convoqué hier une conférence extraordinaire session à l'issue de laquelle plus de deux tiers des membres du bureau de la section a retiré sa confiance au président de la dite section Wasselke Boukari. Voici les raisons de cette décision avec Mourou Kaboye, président par intérim de la section de Tilaberi, joué au téléphone par Adam Adawaki. C'est au sein de la section de Claverie que nous avons des problèmes avec notre président. Depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il a été élu président de la section, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réunion de cette section. La conférence régionale qui est au-dessus du bureau exécutif régional ne s'est jamais réunie, je vous dis, madame. Le fait de retirer votre confiance à l'endroit de Wassalke Boukari veut dire qu'il est exclu du parti Non Wassalke Boukari est président de la sous-section de chez lui il est en même temps coordinateur de Tira. Je vous dis, hier même, les gens de la coordination de Tira, il y en a qui étaient avec nous. Donc, il reste et demeure président de la coordination de Tira, mais il n'est pas président de la section de Tirabéry. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut réunir aucun militant d'une manière structurelle, organisée du MPR pour dire qu'il va tenir une réunion. Nous n'irons pas. Tout le Niger a vu hier qu'on était tous là. Et lui, il connaît les coordinateurs. Il n'a qu'à dire le coordinateur que nous avons copté. J'ai entendu ailleurs, on dit non, c'est une question d'humeur. Il y a des gens qui sont constitués, ils sont partis. On n'a qu'à me dire la seule coordination qui a refusé de se présenter hier. Et de son côté, Wassalki Boukari pense que cette décision est prise au mépris des textes fondamentaux du parti et que le problème est beaucoup plus profond. Cette réunion qu'ils ont faite ne peut pas avoir le statut de conférence régionale de Tilaberi au regard des textes, le statut et règlements intérieurs du MPR Jambouria. les conférences régionales sont convoquées par le président de la section. Tout ce qui est en train de se passer n'aurait pas été possible si au niveau du Père Djambouria, nous n'avions pas de problème de gouvernance du parti. En fait, euh, c'est de ça qu'il s'agit. Comme j'ai eu à le dire, il n'est pas normal qu'un parti jeune comme Djambouria, qui a eu quand même un score malgré tout honorable, puisse rester huit mois sans réunion de son bureau politique, sans concertation avec euh, les présidents de section qui sont tous vice-présidents du bureau politique national. Et à l'occasion des nominations, il n'y a jamais concertation. Le président, il utilise euh, l'arme de nomination pour diriger le parti. Donc tout celui qui veut avoir la paix, il se tait. Nous, nous ne sommes pas d'accord que le MPR Djambouria, sa structure dirigeante, soit ramenée à un cercle de courtisans. Vous venez là d'entendre Wassal Boukari au micro de Abdoulaye Mamoudou. Bagarre entre six personnes ce matin à Issari, village situé à 70 km de la ville de Difa, a indiqué une source locale que nous avons contactée. Elle a mis aux prises trois cultivateurs Kanouri et autant de cultivateurs Toubou. Bilan un mort et deux blessés côté Kanouri et deux blessés côté Toubou. La bagarre à l'arme blanche, couteau et machette a éclaté lorsque l'un d'entre eux a voulu ramasser de la paille de l'espace qui se trouve entre les deux champs. Je l'annonçais dans les titres, l'ex-chef d'état-major du MNJ, Amoumoun Kalakwa, accompagné de trois autres personnes, a été attaqué hier samedi par des individus armés non identifiés. Les assaillants ont directement ouvert le feu sur son véhicule. Trois personnes ont été touchées, dont un grièvement blessé qui est à l'hôpital. tout, ex-porte-parole du MNJ et une des victimes témoignent au micro de Moussa Maman. Hier, aux environs de 14h comme ça, nous avons quitté en direction différente. Nous avons été suivis par un véhicule à Helix, une seule cabine, vitre fumée, après la station à Sabongari. Une fois, ils nous ont suivis jusqu'au Kouri Tilouala. C'est de là-bas qu'ils nous ont attaqués. Ils ont commencé à nous tirer. Moi, j'ai reçu une balle ici, au niveau de la tête, là, une petite blessure légère. Il y avait un homme qui est touché à la tête et au bras ici. C'est l'autre, là, le troisième gars, là, qui est gravement blessé. Vous êtes au nombre de combien de véhicules Nous sommes au nombre de 4 Trois qui sont à la cabine, il y a un qui dirait Bon, il y a des gens qui ont été arrêtés. Peut-être, euh, je crois qu'ils se sont, ils ont changé de véhicule seulement. Je crois que c'est leur stratégie. On ne sait pas ces gens-là. Elles ont fait cette mission à eux-mêmes ou bien elles ont été envoyées par quelqu'un. Huit personnes ont été arrêtées dans cette affaire et sont gardées au commissariat d'Agadez. L'enquête a su son cours et toutes les forces de défense et de sécurité ont été déployées pour traquer ces bandits. Et donc, suite à cette tentative d'assassinat de l'ex-chef d'état-major du MNJ, une rencontre regroupant tous les ex-combattants réunis sous le comité de paix d'Agadez se tient en ce moment au conseil régional d'Agadez. Le gouverneur a délégué Rissa Boula, ministre à la présidence pour régler le problème d'insécurité de la ville d'Agadez. Le chantier de construction du troisième, du échangeur situé sur le boulevard de l'indépendance dit échangeur Djori Hamani a été visité hier par le Premier ministre Abri Raffini. Il a ainsi pu constater que le taux d'exécution des travaux avoisinait les 28 il semble bien que nous sommes un peu moins de 30% d'avancement et les délais seront respectés. Je pense que c'est un ouvrage euh, qui vient conforter cette politique du président de la République d'aménagement de la ville de Niamey qui va désormais se présenter comme une vraie capitale des meilleures capitales africaines. Ici, ça valorise en même temps notre patrimoine passé, la référence à l'ancien président de la République, Diori Amani. Nous avons vu l'école Diori et l'impact qui a été euh, au niveau de cette école, qui a été transformée positivement en tirant par le haut euh, ces différentes écoles, que ce soit l'école Dury, l'école Kasei. Il y a des aménagements euh, au profit de ces écoles, dans le sens de la qualité, dans le sens de l'amélioration des conditions des élèves. Et je pense que c'est vraiment un projet euh, de grande valeur, un projet qui va apporter un grand plus à l'économie de la capitale et du Niger. Ce sont là des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Maradi a rencontré ce matin le gouverneur de la région pour trouver des voies de sortie de la crise qui se vit à l'université. En effet, depuis plus de deux mois, les activités académiques n'ont pas repris à cause de la grève des enseignants-chercheurs, ce qui inquiète la communauté estudiantine. Plus de précisions avec le secrétaire général des étudiants de Maradi Sani Garba. Il est important à ce que nous puissions, en tant que des étudiants, des citoyens nigériens, lorsque la gravité de la situation atteint un certain niveau, qu'on puisse sortir, en tout cas en toute euh, citoyenneté, en toute responsabilité, pour interpeller les autorités de la région, proposer des mesures, parce que c'est à cela que consiste notre rôle pour la sortie de crise. Parce que, en dépit du fait que ça soit la grève des enseignants-chercheurs, il se trouve que ça se répercute sur l'avenir de l'étudiant. Et ceci étant, nous, nous sommes arrivés à un point où concrètement nous nous demandons est-ce que véritablement le problème des enseignants-chercheurs est un problème financier Parce qu'on suppose que le salaire, c'est la contrepartie du travail. Quelqu'un qui a son paiement du salaire, logiquement, il devrait retourner à son lieu de travail. Je ne suis pas contre eux s'ils croient que si les indemnités ne sont pas payées, ils ne le feront pas. Mais en tout cas, nous commençons à douter fortement en une nigérienne honorée lors des African Routine Awards qui se sont déroulées du 19 au 23 octobre 2016 à Paris. Une rencontre qui a pour but de faire découvrir la nouvelle classe de jeunes entrepreneurs issus de tous les milieux. Maria Mamman, c'est son nom, est la fondatrice de Jassi Grain, une entreprise qui produit un engrais naturel par compostage à partir de la jacinthe d'eau, cette plante néfaste pour la biodiversité aquatique. Elle a été le coup de cœur du jury pour la pertinence de son projet. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Sport football, le président de la Fédération nigérienne de football était à Agadez vendredi dernier. Il est parti s'inquiéter des activités du football et constater l'avancement des travaux du stade d'Agadez qui est en chantier dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre qui aura lieu bientôt à Agadez. Jibril Ahima, président du FENIFOOT. En marge de ces visites-là, je profite toujours pour regarder les infrastructures donc euh, euh, footballistiques, sportives. Je suis effectivement avec euh, et l'accompagnement des autorités régionales, voire l'état d'avancement des travaux du stade euh, régional d'Agadez. Je suis très agréablement surpris et très, en tout cas, satisfait de voir que vraiment aujourd'hui les gens mettent les moyens pour euh, faire des stades euh, aux normes internationales, en tout cas des stades dignes de ce nom. Donc c'est bon, l'amélioration qui est en train d'être faite dans tous ces stades-là, ça va sûrement profiter à la jeunesse nigérienne, donc jeunesse footballistique d'Agadez en particulier sur le général donc au football nigérien. On ne peut donc que saluer ça. C'est des réalisations historiques qu'on est en train de faire parce que ça jouera sur un certain nombre d'années pour améliorer les qualités sportives de la jeunesse nigérienne. Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM et sur la radio Ampani 100 FM à Minnesota sur la radio Mangari 95.fm à Birningaouri sur la radio Maraba 95.1 FM à Dolbel sur la radio Gorwol FM 95.1 FM à Saï sur la radio de la Tapoa 99 FM à Mayaï sur la radio Annouri 99 FM à Tamaski sur la radio Karkara 98 FM à Bouza sur la radio Takarkara 99 FM à Magaria sur la radio Kitari 101.5 FM Studio Kalangu au rythme du Niger Studio Kalangu Place à présent à notre partie magazine, elle est consacrée comme chaque dimanche soir à un condensé des faits ayant marqué la semaine, la rétrospective avec Adama Dawaki. Fait important de la semaine, l'affrontement entre les étudiants de l'université de Zender et les forces de l'ordre mardi dernier. Bilan plusieurs étudiants arrêtés et cinq blessés, dont quatre filles. Pensant que les étudiants se préparaient à entamer une marche après avoir tenu un point de presse, les gardes nationaux dont la compagnie est stationnée à quelques centaines de mètres ont jeté des grenades lacrymogènes jusque dans l'enceinte du campus. Les étudiants ont alors repliqué en jetant des pierres. Plusieurs étudiants ont été arrêtés puis relâchés le lendemain. La convergence d'actions unitaire des syndicats de l'éducation du Niger cause Niger a observé une grève de 112 heures sur l'ensemble du pays du 26 au 28 octobre pour obtenir la satisfaction de ses revendications. Suite à ces débrayages, le gouvernement a assigné en justice cause Niger pour grève illégale mais a été débouté par la justice deux jours plus tard. La modification des lois électorales est l'objet de discussions au sein de la classe politique. Pour le secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique Yahya Garba, il s'agit tout simplement de corriger certaines insuffisances de la loi. Selon Tahir Gimba de la coalition des partis dits non affiliés, la mise en place du comité chargé de réviser la loi aurait dû se faire de concert avec l'ensemble des forces vives de la nation. Situation sécuritaire à Issari, village situé à 70 km de la ville de Difa, une bagarre autour de la possession des terres a éclaté ce matin entre trois cultivateurs Toubou et autant de cultivateurs Kanouri selon des sources locales. Bila est mort et deux blessés côté Kanouri et deux blessés côté Toubou. En région toujours Agadez, des sources Ligne de foi, l'ex-chef d'état-major du mouvement des Nigériens pour la la justice, Amoumoun Akalakwa a été attaqué hier par des individus armés non identifiés. Pour rappel, le MNJ est le dernier mouvement rebelle à avoir agi au Niger. Enfin, dernier sujet important de l'actualité de la semaine, l'annulation du concours de recrutement de 450 agents du ministère de l'économie et des finances et l'abrogation de l'admission de 9 agents du ministère du plan. Adomoumouni, secrétaire général du ministère de la fonction publique, a réagi cette semaine pour affirmer que le concours avait été entaché d'irrégularité. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bon début de semaine à tous et à toutes. Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook. La page Facebook du studio Kalangou. J'aime et je partage.